Voilà, c'est Mahfou Faye, porte-parole du jour du groupe André Defar Kies, du conseil départemental de Kies. Alors aujourd'hui, notre groupe s'est réuni pour statuer sur un problème qui fait les choux gras de la presse depuis un certain temps concernant un problème foncier sur le domaine public maritime de Kayar. Alors notre groupe s'est réuni et nous avons discuté. Euh, nous avons enregistré près de 50 présences alors, la première question que nous avons évoquée est relative à la question des signatures. Il a été constaté que des membres du groupe André Defartiès ont signé de façon malhonnête parce que tout simplement euh, les initiateurs de la pétition les ont fait croire des choses qui n'ont pas existé. Euh, certains ont été informés comme quoi que c'est en fait le conseil départemental ou le bureau du conseil départemental qui a initié un projet de lotissement au niveau du domaine public maritime. À d'autres conseils, ils leur ont remis de l'argent. Et ces conseillers ont été présents et ont accepté, ont confirmé la manipulation dont ils ont été victimes pour avoir effectivement signé cette pétition. Euh, nous avons procédé également à des éclairages sur les problèmes fonciers évoqués par M. Ablaï et il a été confirmé que le conseil départemental n'est nullement impliqué dans un quelconque projet de lotissement dans le domaine public maritime de Kayar. Euh, le vice-président du conseil, M. Diatara, et le secrétaire élu, M. Pape M. Diop, ont eu à donner des informations très précises sur ces questions. S'il y a quelqu'un qui a fait un lotissement, c'est bel et bien le maire de Kayar, qui a fait une délibération sur la présidence du sous-préfet de Kayar. Donc, nous confirmons ici présent que le conseil départemental n'est nullement impliqué dans ce projet de lotissement. C'est M. Babacar Pascal Ndion, qui est le receveur des impôts et domaines, qui a envoyé un projet de lotissement au maire de Kayar. Et c'est sur, cette base que les populations, le maire de Kayar et le conseil municipal de Kayar, pour protéger leurs terres, parce que simplement ces terres sont en train d'être victimes d'une spoliation que la mairie de Kayar a pensé utile de vouloir faire ce lotissement en vue de protéger les terres du domaine public maritime de Kayar. Donc le conseil, le groupe Antidefarquès tient à préciser que le conseil départemental n'est nullement impliqué dans toutes ces informations euh, qui ne sont rien d'autre que de l'intoxication. Aujourd'hui que le président Idriss Seck est en train de sionner le pays et de recevoir l'adhésion des populations sénégalaises, on veut véritablement nous faire perdre du temps. Et ce qui est dommage, c'est que Moussa Abdoulaye après avoir réussi à tromper des conseils euh, du département et en l'occurrence même des conseils du parti Réumi, a envoyé au préfet et au président du conseil départemental une correspondance pour demander le blâme des membres du bureau et des délibérations portant sur la démission collective du bureau du conseil départemental. Nous pensons qu'avant même de procéder à demander la démission du bureau, ce qui était plus juste, c'est de provoquer un débat autour de cette question. Maintenant que nous avons aujourd'hui des conseillers qui désistent, qui retirent leur signature par rapport à cette pétition parce qu'on les a trompés, nous pensons que nous allons aller dans le sens de convoquer nous-mêmes une session pour pouvoir clarifier toutes ces, ces informations malencontreuses que des membres du conseil départemental, en à Ablaï est en train de véhiculer à travers la presse. Véritablement, tous les conseils d'Andefarties sont ici présents et confirment leur ancrage dans le groupe Andefarties et leur fidélité par rapport au président Idrissa Seck. C'est ce que nous tenons à dire devant cette assemblée. Alors, nous avons pu recevoir pour le moment 44 signatures. Et nous avons aujourd'hui des conseillers qui sont absents, qui sont au nombre de 15 et qui nous ont donné leur confirmation et leur engagement qu'ils sont aux côtés du groupe en et qu'ils sont également contre cette manipulation orchestrée par M. Abdoulaye et ses acolytes. Et nous savons également que c'est un certain M. Sergueï qui manipule les gens et qui est derrière ce, projet de vouloir vilipender le conseil départemental de Thiès. Monsieur Sergueï, c'est quelqu'un qui a construit de façon illégale un hôtel sur le domaine public maritime. Et qu'est-ce que nous avons constaté euh, Depuis le début de cette construction-là, nous voyons qu'il a des papiers qu'il a acquis illégalement par le maire de Kayarma, c'est Guy, qui lui avait octroyé un hectare sans la, délibération ni de la commune de Kayar, encore moins du conseil régional de l'époque. Ensuite, M. Sergei a soudoyé le, remplaçant de M. Cheikh à savoir mine Dramé, qui lui a également offert, sur des bases illégales, un autre, une autre hectare de terre. Alors, depuis lors, M. Sergei a fait le circuit des visas pour obtenir la validation de ces hectares qu'on lui a donnés de façon illégale sans la délibération ni du conseil régional de l'époque, ni du conseil départemental actuel. Et pour pouvoir euh, faire passer son projet, il s'est ligué avec M. Ablaï et depuis lors, ils sont en train de manœuvrer pour pouvoir valider ce projet-là de construction d'un hôtel sur le domaine public maritime de façon illégale. Euh, aujourd'hui que nous en, sommes, nous en sommes là, M. Cheikh Gueye est en train de manipuler et nous savons que pratiquement l'essentiel des moyens utilisés par Abdoulaye Sow pour utiliser la presse viennent de M. Sergueï et nous sommes décidés à lui barrer la route parce que le conseil départemental n'a jamais fait une délibération sur le domaine public maritime et tous les services déconcentrés, à savoir l'urbanisme, le cadastre, n'ont donné aucun cutis par rapport à ce projet de Cheikh Donc c'est un projet illégal et Abdoulaye Sow s'est permis, en tant que simple président de commission, commission aménagement du territoire, a fait un avis favorable qui est là pour donner autorisation à M. Sergueï de continuer euh, la réalisation de son projet en tant que simple euh, président de commission. Alors que le président du, conseil départemental est ici présent, le euh, conseil départemental n'a jamais délibéré sur, cette, sur, cette, sur, le domaine public maritime. Abdoulaye s'autorise le droit en tant que simple conseiller, de donner un avis favorable à un promoteur sur le domaine public maritime. Je crois que si maintenant on doit essayer de chercher l'illégalité ou la petite bête, je crois que les journalistes doivent aller également s'informer sur les agissements d'Abdoulaye Sow. Lui qui crie sous tous les toits pour dire, pour accuser et vilipender le conseil départemental, je crois que quand même la presse se devait d'aller véritablement vérifier cette information. Nous, nous sommes une institution. Nous sommes une institution. Nous donnons l'information juste et vraie. Nous ne nous intéressons pas aux détails. C'est aux journalistes de faire des investigations pour savoir ce qui a été fait à Kayar, qui en sont véritablement les commanditaires. Réellement, s'il y a eu lotissement à Kayar, le conseil départemental n'est nullement impliqué. C'est effectivement le maire de Kayar et son conseil qui ont fait ce projet de lotissement et qui ont implanté des bornes. Mais le conseil départemental n'est nullement impliqué et aucun acte ne peut être brandi contre le conseil départemental pour dire que nous sommes impliqués dans ce lotissement. Je crois que véritablement, la presse doit également faire son travail dans ce sens. M. Ablaï également, quand il, a, quand il a donné à M. Sergueï une autorisation pour euh, lui permettre de continuer son projet sur le domaine public maritime, M. Abdoulaye s'est permis même d'usurper la fonction du président du conseil départemental en élaborant un projet de délibération sur le domaine public maritime, toujours pour le bénéfice de Cheikh Voilà le projet de délibération qu'il a, qu'il a réalisé et soumis au président. Alors qu'on sait que l'administration fonctionne sur des bases claires, euh, le conseil départemental a une administration qui fonctionne, le secteur général du conseil départemental est habilité à élaborer des projets de délibération. Ablaï Sow s'est autorisé même la prérogative d'élaborer et une délibération, un projet de délibération et un avis favorable pour octroyer à M. Chesbey un hectare de terre. Je crois que ces questions-là, quand même, méritent véritablement que la presse s'y penche pour quand même consulter les responsabilités. Je crois que ça également, c'est fondamental. Je voudrais d'abord euh, repréciser ma pensée. Je dis que je ne me défoule pas sur la presse et je n'en ai pas l'intention. Je voulais simplement inviter la presse, sur la base de nos documents dont nous disposons, qu'ils fassent des investigations. Et nous leur donnerons tout de suite toutes les informations contenues dans ces documents. Euh, nous avons convoqué ce point de presse simplement pour apporter la clarification, parce que l'opinion publique est intéressée par cette question même si la presse n'est pas intéressée, certaines presses n'est pas intéressée, l'opinion publique est intéressée. Et c'est de notre devoir de nous organiser pour donner la bonne information. Par rapport à votre première question, le groupe a décidé de démettre M. Ablaï de ses fonctions de président de la commission aménagement du territoire. La question est pendant devant la justice. Le groupe a demandé à ah, M. le Président, et en l'occurrence son vice-président, de continuer à poursuivre cette affaire-là parce que le conseil départemental a été diffamé. Parce que dire que le conseil départemental est impliqué dans un lotissement alors qu'aucun acte administratif ne peut attester de l'implication du conseil départemental nous semble être une aberration. Et pour cette raison, effectivement, nous sommes prêts à rester en justice pour que cette affaire soit clarifiée. Donc vraiment, ce sont les quelques éléments de réponse que je voudrais apporter à vos, à vos, à vos questions. Par rapport à l'identification des conseils également, je voudrais dire que certains conseils sont ici présents, certains conseils signataires. Maintenant, par stratégie, nous n'allons pas également vilipender nos amis parce que simplement ils ont été abusés. Mais vous pouvez vous-même prendre votre responsabilité et de voir, de constater qu'effectivement des signataires de la pétition de Sow sont ici présents dans cette salle. Groupe André Devarques, le conseil départemental m'a convoqué une une réunion de groupe pour nous voir ci problème que nga avez ni ay conseils départementaux bu évoqué problème lotissement ci domaine public maritime bu Kayar di ci takal conseil départemental di ci takal bureau conseil départemental ñu daje woon nag pour waxtan ci parce que conseil départemental yi bok ci ànd defar Thiès biñu déggé problème bi dañoo dajé ni ñoom dañu bëgg waxtan pour am ay éclairage ci problème mu suuf soosu ñu yëkkati bi loolu amee le président le vice président Yankhoba Diattara ñëw na toog mom ak le premier secrétaire élu Pape Moussa Diop ñu indil ñu toutes les clarifications yi nga xamanteni ni na ci problème bi nga xamni mom la ay nit yëkëti pour taxal jaxase yak xelu nit ñi ci doxalin bi nga xamni mom la conseil départemental di joxé may wax ni biñu ñu vice président conseil départemental amna ñu certitude que ni le conseil départemental amul ben implication bu mu am ci problème lotissement boobu ñuy wax ci domaine public maritime bu Kayar conseil départemental yëgul jegewul tinul laalul su fekkente ni am na ku ci bëgg am lu leer dafa war a dem Kayar fa nga xamante ni fa la suuf sa nekk maire ba nekk fa ñu laaj maire ba naka la mbir mi demee mais conseil départemental jëlul tinul laalul te loolu li koy firnde booy amul kenn ku mën a yëkkati këyit gu jógee conseil départemental buy wax ci problème lotissement ci domaine public maritime bu Kayar li ci xew le receveur des impôts et domaines Babacar Pascal Ndion moo envoyé plan de lotissement mairie Kayar mairie Kayar a def un conseil def délibération sur 200 parcelles Le conseil départemental gisagu ko yëgagu ko tinu ko naam sax bu fekkente conseil départemental moo am prérogative de délibération sur ce domaine public maritime amul benn délibération bu nga xam ne am na ci li xew nak dañ koy japp rek ci cadre manipulation ak yàq parce que gis nañu Idrissa Seck mu nek di dem ci population sénégalaise di waxtaan ak ñom pour ñu xol nu ñu fiy jëlee Macky Sall ñu bëgg ne nañu roof galgal indil ko problème ci conseil départemental bi muy gérer mais ñun yalla may nañu matukaay ba ñun ñu daje suñu biir waxtaan ba mëna déjouer seeni plan té li koy firndeel mooy ñi nga xam ne demoon nañu nax leen signaloo leen te xamuñu li ñuy signé lan la ñu ci bari ñi ngi ci fi biir salle bi te nee nañu dinañu dindi seen signature bi nga xamante ni joxewoon nañ ko parce que dañ leen a nax wax leen lu dul dëgg li ñu leen waxoon mooy dañoo bëgg a def waxtaan pour leeral mbiru conseil suuf si ci Cayar mais ñoom waxuñu leen woon ni dañoo ñëw pour am initiative daaneel bureau conseil départemental bi nga xam ne Idriss Seck moo ko jiite. loolu ñu bëggoon vraiment mu leer ci boppu Sénégalais yi leer ci boppu ñëpp ñuy wax tamit également que ni euh, ki nga xam ni moom mooy initiateur pétition bi muy Abdoulaye Sow mom bi Idrissa Seck jëlee conseil départemental bi dañoo defone yaatal jox ko mu nekk président commission aménagement du territoire euh, bi nga xamanteni ni préfet département Thiès envoyé na ben dossier conseil départemental pour wax nañ ci délibérer président dafa ko wo ni ko yow comme yaa yore commission aménagement territoire demal nga def ci gëstu biñ ci defee gëstu ba ñëw ñu gis ni domaine public maritime domaine bu complexe la te ki nga xam ni moom moo am hôtel bi ñu voilà a délibération ni mu amee suuf si jaarul ci yoon ndax ku ñu wax Masek gey nekkoon maire Kayar moko défalon ben attestation révocable précaire et révocable mu commencé tabax mais amul ben délibération bu maire Kayar def amul ben délibération bu conseil régional defoon pour mu mën fa installer. wu bi nga xamante ni ku ñuy wax Lamine Dramé ñu ma nekk maire Kayar doyul ko benen hectare te amul délibération ñun au niveau du conseil départemental ñuni mais dossier bobu ñun mënuñu ko délibérer parce que leerul li ci gëna té également doy war muy l'actuel maire de Kayar muy Ndiasse mo ñew jël note def délibération ni il est défavorable il a un avis défavorable sur le projet de Cheikh Gueye donc lolu lu lèr nañ la légui nak conseil départemental bi saisiroon maire Kayar gis ni Kayar joxewul avis favorable conseil départemental ni du joxé Ben délibération sur ce domaine public maritime mais Ablaye Sow bobu nga xamante ni moo nekk commission aménagement territoire am ay lien ak Cheikh Gueye bobu légui ñu ngi def ay njuuj njaaj pour xol naka lañuy def ba valider projet bobu def nañu le circuit des visas dem nañu ci service déconcentré yépp domaine cadastre fu urbanisme mais amul kenn ku leen nango defal avis favorable ci sen projet bobu Abdoulaye Sow mom en tant que simple président commission aménagement jël avis autoriser Cheikh Gueye pour m'installer installer. Li lii jàpp ni war nañu également def ci ay investigation pour waxtan si mieux Abdoulaye Sow substituer wu ci fonction président commission départ conseil départemental defar projet de délibération projet de délibération et rapport de présentation pour wax le président bi nous délibérer pour Cheikh l'autorisation am autorisation pour installer Lini c'est des documents yu nga Il ni que nous ben la complicité bu Abdoulaye Sow am mu jaral pour que Cheikh chef l'autorisation. am euh, projet autorisation autorisation projet Bob depuis lors le conseil départemental a projet bi projet Nous naa lire également. Euh, le Conseil euh, analyse délibération portant autorisation d'occuper d'occuper le domaine public maritime. Le Conseil départemental, vu la Constitution, vu la loi numéro, vu la loi, vu le décret numéro 2009 299 du 23 mars 2009 portant fixation, etc. Euh, délibère. Article 1er, il est attribué à M. Cheikh Gueye, directeur général de menuiserie Khadim Rossol, pour la réalisation d'un complexe hôtelier sur un terrain, un, terrain de 1 hectare, 6 ar, 15 centiards, situé sur le domaine public maritime dans le village de Ndjokhobguej à Kayar. Et c'est Ablaïsou qui a fait ce projet de libération. donc l'implication implication bi domaine public maritime du terme de Wallam donc nous demandons également la presse pour que nous jël document yi utiliser ko à bon escient pour wax ni ki nga xam ne tey jii mu ngi taqal conseil départemental ci loo xam ne amul benn confirmation amul benn firnde amul benn traçabilité mais ñu wax ñu ñu laaj ko fu mu teg def et effectivement conseil départemental jël na ay matukaayam pour yóbbu affaire bi en justice on lui a envoyé une assignation et il va répondre à la à la à la au tribunal parce que li également nek na lo xamanteni ni lu ñu war a la. li ñu koy toppee ci kanam yoon moy faux usage de faux. parce que mom amul autorisation amul prérogative pour de délivrer ay avis favorable sur l'occupation du domaine public Madické. c'est lui qui a signé et Ablaye Sow même a cherché un cachet amul ben président commission du conseil départemental nous avons 22 commissions pour am cachet. li également da fay confirmer implication bi mu am sur cette affaire-là. Euh, ni ñi def ak moom ci conseil bi que moy groupe bi mo décidé d'émettre Ablaye Sow de son statut de président commission aménagement territoire euh, mënuñu ko nak dàq ci conseil bi mais le groupe parlementaire bi nga xamné qui, majorité mom décidé na pour démettre de ses fonctions et déclarer ko n'est non grata dans le conseil parce que comportement ak doxalinam dëppoowul ak yoon jekkul rafetul liñ ci mën a wax également mooy Abdoulaye Sow boobu bi ñuy voté budget bi mais moom moo njëkk a taxaw ni budget bi dañ koy dañ koy voté sans débat mm-hmm. et loolu je crois que presse bi aussi am nañ ci am nañ ci ay firnde parce que contexte politique la ñu nekk kenn ku nekk bëgg nga rebondir politiquement nga ni xaaral ma profiter ci occasion bi pour véritablement euh, rebondir sur le plan politique je crois que c'est peine perdue parce que conseil départemental a am un engagement ak pour arrêter pour lui barrer la route. ñun bi mu ci presse bi ci la ko yëg ci lañu commencé waxtaan ba commencé def li wax presse bi ci commencé mais ñu démé gis également que ni mu ngi des ay signature di dem ci suñu ay.

Tout projet initié sur le domaine public maritime requiert l'autorisation du conseil départemental. C'est-à-dire même le maire de Kayar mënul def ben projet sur le domaine public maritime sans l'autorisation du conseil départemental loolu dal vraiment moy moy li nga xamanteni gis nañ ni amul ci projet lotissement bobu té amul ben acte également au conseil départemental pour xamni mën ko incriminer sur cette affaire là li ñu ci xaw que véritablement ni ko ni ñu ko utiliser ni ko Abdoulaye Sow utiliser à travers la presse ci loo xamante ni te amul dara lu ci tënk tegu ci yoon ci loo xamante ni lu lu lu taxaw la loolu moo xaw a metti nit ñi rek.